18 de 15 minutes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum d'Istudio Studio Une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Studio Kalangou, c'est un rappel, est présent dans 20 localités du Niger à travers un réseau de radios partenaires. Ces radios partenaires qui diffusent les programmes du studio Kalango en direct sont basés dans tous les chefs-lieux des régions du Niger, ainsi que dans les localités d'Arlit, de Tirozérine, de Ménesoroa, de Magaria, Tamaské, Bouza, Filengue, Birningaure, Dolbel et Saï. La problématique du foncier, les difficultés liées à l'achat et à la vente de terrains en milieu urbain, le cas de Niamey, c'est le thème qui nous réunit ce soir. Est-il facile d'acquérir un terrain de nos jours en toute sécurité Qu'est-ce qui pourrait expliquer les cas d'arnaques souvent constatés dans certaines opérations de terrain de la capitale et ses alentours Quelle est la procédure à suivre pour acheter ou vendre un terrain, une parcelle sans risque Comment être à l'abri des arnaques ou escroqueries dans le domaine du foncier Comment se fait le lotissement Qui en a la charge Ce sont là, entre autres questions, auxquelles nous espérons trouver des réponses satisfaisantes avec nos invités. Il s'agit de Abdul Fattah Mahmoudou, ancien cadre à la retraite euh, du, du, cadastre. Bonsoir euh, Abdul Fattah. Bonsoir. Et Maître Maman Nakobo, notaire. Bonsoir Maître. Bonsoir. Merci à tous euh, d'être venus. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le forum du studio La problématique du foncier, les difficultés liées à l'achat et à la vente de terrains en milieu urbain, je le disais, c'est le thème du jour. Se procurer une parcelle, un terrain personnel, quelque chose qui est devenu un casse-tête pour beaucoup. À Niamey, il est très difficile d'avoir un terrain à prix raisonnable. Pour se faire, le Nigérien moyen n'a pas d'autre choix que d'aller loin de la ville en périphérie le prix moyen d'un lopin de terre serait de 400 000 francs en périphérie et plusieurs millions de francs dans la ville. Beaucoup d'affaires se vendent par de nombreux acteurs à différents niveaux, ce qui du coup complique davantage la situation. Le secteur du foncier est envahi par une multitude d'acteurs allant des structures de l'État en passant par des démarcheurs, des agences immobilières et des lotisseurs privés. Ainsi, il est fréquent de voir des personnes se faire arnaquer par des manœuvres qui ne disent pas leur nom. Se pose aujourd'hui la question de la sécurité des transactions foncières. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je m'en vais vous demander de vous présenter davantage à nos auteurs. Je commencerai par vous, maître euh, Maman Nakobo. Merci donc de me passer la parole. Je m'appelle euh, maître Mahaman Nakobo, je suis notaire. donc, euh, je suis installé depuis 1984 à Niamey. Un des grands anciens notaires. Merci. Bien. Et est-ce que vous pouvez rappeler, beaucoup de gens ne, maîtrisent pas assez le rôle euh, du notaire en général et principalement dans le domaine du foncier. Pouvez-vous nous rappeler Bien. Effectivement, le notaire, euh, son rôle principal, effectivement, c'est l'immobilier, n'est-ce pas Donc, dans tous les pays du monde, euh, l'immobilier si vous voulez, c'est la principale préoccupation du notaire. L'immobilier, c'est l'acte authentique. Donc, le, notaire rédige les actes authentiques. L'acte authentique, c'est par, opposition à, un acte sous seing privé. L'acte authentique, c'est un acte qu'on ne peut pas combattre comme ça. Il a une force exécutoire. cest si on vous fait, venez chez un notaire, vous achetez un bien, surtout un meuble, vous, acheteurs et acquéreurs, vous vous présentez devant le notaire. Donc, quand le notaire fait cet acte-là, on ne peut pas le détruire facilement. On le détruit, mais avec une procédure compliquée, l'inscription en faux. Voilà. Au niveau de quelle juridiction Au niveau des juridictions compétentes, des tribunaux civils, tous les tribunaux civils. Moi, ouais. Voilà. Mm, bien. Euh, je me tourne maintenant vers vous, euh, Abdel Fattah Mahmoudou. Je le disais, cadre à la retraite du cadastre. Je, me Abdou Mahmoudou, ingénieur géomètre adjoint. j'étais resté euh, donc euh, au cadastre de 79 euh, à 2017. Et le cadastre, vous pouvez nous rappeler un peu rapidement les, grandes missions du cadastre dans ces domaines, dans le domaine justement du foncier. d'abord, avant même qu'on vienne au cadastre, il faudrait d'abord savoir c'est quoi le foncier. Le foncier, c'est le sol sur lequel nous marchons. Que Allah a eu à créer une seule fois. il n'y aura pas encore un autre sol jusqu'à la fin des temps. Et chacun a besoin de ce sol pour ses activités. Même les morts. Même les morts. Même les morts. Quand quelqu'un meurt, il faut l'enterrer. Il lui faut une surface. Donc, de ce fait, la demande, elle est très forte. Et c'est pour ça que le foncier a toujours engendré des problèmes. Parce que tout le monde en a besoin. Tout le monde même les morts. même les morts. Donc, le foncier, quand quelqu'un détient, il faudrait qu'il s'assure d'abord qu'il ait des documents qui justifient que cet endroit-là lui appartient. Qu'il arrive à déterminer sa superficie. Puisque on a vu du même sur le plan international, les conflits entre les, nations et autres, tel pays et tel pays, se, se tiraillent sur les limites de leur territoire. C'est ainsi aussi les limites des provinces. Des fois, ça pose problème. et maintenant, dites-nous le rôle du cadastre dans. Le rôle du cadastre est là. le cadastre est là comme l'état civil du foncier. Quand est-ce Ça Quand est-ce le terrain-là a appartenu à un tel Et comment il l'a acquis L'a-t-il acheté C'est par donation C'est par succession Comment a-t-il fait pour rentrer en possession de ce terrain donc, c'est le cadastre qui essaie de qui détermine cela. Et pour éviter d'avoir de problèmes, le cadastre encore propose une solution, puisque le rôle de cadastre, c'est la gestion foncière. C'est quoi Donc, solution la, solution, c'est de sécuriser le terrain qu'on a pour ne plus avoir de problème avec quelqu'un d'autre. Euh, nous allons revenir euh, euh, sur, les procédures d'acquisition de terrain et, et comment sécuriser son bien. Est-il facile Est-ce qu'il est facile aujourd'hui d'acquérir en toute sécurité justement un terrain est il facile Bon, si ça dépend de comment on s'en prend pour euh, avoir son terrain. Toujours est-il que pour acheter un terrain, il faut s'adresser à qui de droit. Il faut savoir où se diriger. Avant, on sait qu'ici à Niamey, pour avoir un terrain, il faut aller à la mairie. Nous allons revenir aux procédures, mais justement sur les moyens, est-ce que, vu euh, euh, la grandeur de la ville, l'augmentation de la population. Euh, est-ce que. Aujourd'hui, la mairie, elle seule, ne vend plus de terrain, puisqu'il y a des lotisseurs privés. Il faut se diriger pour aller vers ces euh, lotisseurs privés. Et ça, est-ce que ça complique dans, dans le cas où on ne peut plus trouver de terrain, soit à la mairie, soit chez les lotisseurs privés, maintenant, il faut aller vers la spéculation quelqu'un qui, qui, a déjà intérêt. et qui veut vendre. C'est en ce moment qu'il faut être très prudent, puisque les intermédiaires sont là pour tromper. Bien. Maître, est-il est facile ou difficile aujourd'hui d'acquérir un terrain Ça dépend, comme il vient de le dire. c'est celui qui est en contact direct avec le terrain. Moi, c'est quand la transaction a, eu lieu que, que je reçois les clients. Mais ce n'est pas facile comme euh, vous l'avez dit tout à l'heure, acheter un terrain aujourd'hui à Niamey, dans la ville de Niamey, c'est pas facile, il faut vraiment dire la vérité. C'est pas une affaire de petite bourse, n'est-ce pas C'est pourquoi donc. Euh, il faut avoir les poches euh, ah, ah, pleines. Bourrées. Ah, bourrées, voilà. Poches pleines, c'est pas facile. parce qu'avant, disons il y a 30 ans, une parcelle dans Niamey-Ville, 1000 mètres carrés, bon, moi je sais, je peux vous donner un exemple pour, sur ma propre personne. En 1976, j'ai acheté une parcelle de 1000 mètres carrés à Isaberi. Mhm. Ça a coûté 350 000 francs CFA. En ce moment, et c'était beaucoup en ce moment. 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés à Isaberi. Mais maintenant, à 1000 mètres carrés, vous n'avez pas moins de 300 millions. Et ce n'est pas tout le monde qui dispose de 300 millions, millions. n'est-ce pas Donc, euh, les, euh, les parcelles que vendait la mairie en ce moment, c'était moins cher. Donc il y a eu ce problème de lotissement privé là, n'est-ce pas La spéculation. Donc c'est un peu ça aussi qui a augmenté le prix des terrains. Maintenant, c'est même euh, dans les périphéries. Vous voyez, à Niamey, on n'en parle plus, il n'y a plus de terrain à Niamey. Vous voyez ah, merci maître pour, pour, ces précisions. Uh-huh. Avant de poursuivre, je vais vous proposer euh, donc cet entretien que nous avons eu avec euh, quelqu'un qui a frôlé depuis l'arnaque il s'appelle Alignali et il nous raconte ici sa mésaventure. C'était au lotissement Yaboni Plateau, donc euh, sur la route de Filengue. Donc j'avais acquis ce terrain en 2011. Quand j'avais reçu l'acte de cession, je me suis rendu sur le terrain. On m'a montré la parcelle, mais j'avais un peu de doute quand même, compte tenu qu'il y avait des tickets placés par-ci, par-là. Donc, ça ne semblait pas être me convaincre. Ça ne semblait pas me convaincre. Bon, donc j'ai investi un peu pour essayer de voir et à ma grande surprise, j'ai trouvé un monsieur me dire que cette parcelle, c'est sa parcelle. Et moi, je lui ai dit que bon, moi, je ne peux pas être d'accord. Pour qu'il me dise que c'est sa parcelle, il faudrait qu'il vienne avec le topographe qui a fait les relevés topographiques avec le plan et qu'il vienne me montrer que Vraiment, ce n'est pas ma parcelle. Donc, euh, le monsieur en question a fait venir le topographe qui, au premier coup de pioche, a fait déterrer quoi, un ticket enfoncé. Et de là, je me suis dit, ah, donc c'est possible que ce ne soit pas mon terrain. Donc, comme le topographe était venu, il a montré, j'étais d'accord, et je lui ai demandé maintenant ma parcelle alors. Comme celui qui a fait le relevé topographique, donc maintenant de m'aider à retrouver ma parcelle. Il a retrouvé la parcelle, il m'a donné le plan et je suis parti à la mairie de, à la commune de Liboré. J'ai fait l'identification là-bas et on a trouvé que effectivement la place n'a pas été octroyée à quelqu'un. Et après l'identification, j'ai fait le contrat des actes de cession. Le problème qui s'est posé, c'est que c'est le démarcheur qui est venu vendre la parcelle c'est lui qui m'a situé la place. Et moi, j'ai utilisé l'endroit pendant trois ans. Il a fallu que dans la troisième année où j'ai fait un geste pour voir si réellement c'est mon terrain ou bien ce n'est pas mon terrain. C'est quand j'avais investi un peu que le même topographe qui a fait les relevés topographiques est allé voir le propriétaire en question comme il le connaît pour lui dire mais Intel tu as vendu ton terrain ou bien tu t'es trompé tu n'arrives pas à te localiser sur le terrain j'ai vu et après il a dit non, lui il n'a jamais été là-bas. Alors donc si je comprends, le jour où vous, avez fait euh, la procédure avec le démarcheur, il n'y avait pas un topographe qui vous a euh, accompagné pour que vous soyez sûr que c'est l'emplacement Non, non, il n'y avait pas de topographe. C'est le démarcheur même en question qui est parti et dans le lac de session, il n'y avait pas un plan qui était joint. Mais depuis que j'ai pu retrouver le topographe qui a fait le relevé il m'a fait une photocopie du plan avec le numéro de ma parcelle et il m'a remis. Et il m'a rassuré que même en cas où, au cas où quelqu'un se, se manifester, il est là pour, pour aider. Quelle est la leçon que vous avez retenue dans cette expérience Bon, la leçon que moi j'ai retenue dans cette expérience-là, c'est que quand un démarcheur se présente avec des documents pour vous montrer, pour vous vendre un terrain, la première des choses d'abord, c'est de prendre l'acte et aller vérifier au niveau des services euh, compétents au niveau de la municipalité pour voir est-ce que le terrain n'est pas un terrain litigieux. Si la mairie vous dit que le terrain n'est pas un terrain litigieux, vous pouvez entamer maintenant la procédure. Voilà, vous venez de suivre avec nous donc ces témoignages. Je, m'en veux vous donner la parole à euh, Abdel Fattah Mahmoudou. Une réaction peut-être à ce que vous venez d'entendre. Est-ce qu'il y a un aspect particulier qui attire votre attention On ne peut jamais réussir euh, un travail pour lequel on n'est pas formé. Et d'abord, tel que je vous ai dit tout à l'heure, celui qui veut acheter, il faudrait qu'il sache à qui s'adresser, qu'il sache à qui il a affaire. Il ne suffit pas seulement de rencontrer quelqu'un qu'il vous propose que, bon voilà, j'ai des parcelles, venez acheter. Avec des papiers avec des papiers. Est-il sérieux Maîtrise-t-il son travail Malheureusement, aujourd'hui, dans ce domaine, il y a beaucoup de démarcheurs qui ne peuvent pas vous lire un plan et qui se prennent pour, des géomètres, pour des connaissances en la matière. C'est ce qui entraîne des cas pareils. Maintenant, ce que je savais, qu'avant, toutes les mairies avaient au moins un connaisseur qu'on appelle et un agent voyé hmm. qui est spécialiste dans le domaine de la lecture de plan, au moins quand on lui donne un plan de lotissement, on lui parle de tel îlot et de telle parcelle, il le peut identifier et vous amener là-bas. Alors, est-ce que vous avez, euh, Maître Nakobo, vous avez euh, donc écouté avec nous euh, ces témoignages. j'ai écouté. Des, cas de, cas pareils, vous, vous a rencontré. Ça, vient toujours dans nos cabinets. Seulement, le monsieur, il a été imprudent. Parce que tu ne peux pas acheter un bien, un immeuble comme ça. En principe, quand il veut acheter, on lui donne les documents, il doit aller voir un notaire. N'est-ce pas Le notaire fait ce que nous appelons des vérifications d'usage, vérification cadastrales, N'est-ce pas Si c'est un acte de gestion, nous, on envoie quelqu'un à la mairie. Il faut qu'il vérifie si la parcelle qu'on vend à cette personne la correspond à ce qui est inscrit dans le livre de la mairie là-bas. Hmm. Voilà, le cas échéant, donc, euh, on, peut pas, on ne peut pas faire l'acte de vente. Il a attendu trois ans pour. Ah, il a, attendu trois ans. Il parlait d'investissement. En fait, il a commencé à planter des, ah, des arbres. Voilà, et c'est là que. Euh, euh, on lui a dit que la personne c'est pas celle qu'on lui a vendue. Est-ce que vous avez. La parcelle a déboré même. à diboré. oui. N'est-ce pas Oui. Et puis, dans tout ça, là, s'il avait un titre foncier, c'est plus facile. N'est-ce pas le titre foncier, c'est eux qui le font, c'est le cadastre, il va vous le développer. Mais quand il y a un titre foncier, en principe, il n'y a pas de problème. Mais malgré le titre maintenant, il y a des malins qui viennent déterrer les choses, les, bornes. Malgré même hier, j'ai eu un cas comme ça. N'est-ce pas Quelqu'un qui avait un titre foncier, un monsieur est venu, il, a il est venu sur la route de Dosso, là, il a déterré les bornes, n'est-ce pas pour aller, pour aller vendre aux gens. Et le gars qui a acheté, effectivement, il s'est rendu compte que euh, euh, si, vous voulez, ce passe à parcelle, parce qu'elle a été chez un auteur pour faire le transfert. On lui a dit non, ça, cette parcelle a été titrée, un titre foncier là-dessus. Voilà. Chaque jour, on rencontre de tels problèmes, vraiment. Donc, des cas comme ça, c'est. Des cas comme ça, là où ça, c'est. Euh, Fattah Mahmoud, quels sont les, autres types de litiges euh, fréquemment rencontrés Oui, c'est que j'ai commencé à le citer tout à l'heure. Il y a les litiges même entre les nations du point de vue international, chaque fois on amène euh, les litiges fonciers à la Cour de la haie. Et aussi, il y a les litiges euh, entre les provinces, les régions qu'il faut. D'un même, même, pays D'un même pays, oui. Par exemple, euh, Maradi, a eu un problème foncier avec les arrondissements là qui l'entourent. C'est pour ça que le foncier, une fois que vous détenez et une superficie de terrain, il faut savoir délimiter et avoir un papier sérieux qui montre que réellement ce terrain-là vous appartient. Maître, qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui explique toutes ces situations qui sont souvent, souvent relevées euh, Des cas d'arnaque, des cas de. C'est surtout l'intervention des, intermédiaires de vente là. Hein, parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, il y en a qui ne savent même pas lire réécrire on leur donne des documents pour dire voilà, c'est ma parcelle, il faut aller trouver un acquéreur. Donc lui, il vient, il propose ça à quelqu'un aussi qui est imprudent, qui achète ça comme ça, entre eux. Donc c'est sûr que demain, il aura des problèmes, n'est-ce pas il faut aller rencontrer le service d'un spécialiste, n'est-ce pas Les raisons sont là, il y a l'ignorance. Oui, il y a l'ignorance. Il y a la cupidité. <laughs> il y a la malhonnêteté. Voilà, il y a tout ça Il y a tout ceci. Ah Et on sait aussi qu'il euh, il y a eu des, lotisseurs privés euh, désormais. Est-ce que cela n'est ne, pas l'une des raisons aussi Non, bien avant cela, les, lotisseurs privés ne peuvent pas, peuvent pas être à la source de, de ces problèmes-là, puisque c'est une entreprise tu ne peux pas venir créer une entreprise et que tu sois encore à l'origine de ton propre mal. Est-ce que vous me voyez mhm. et vous, me suivez Mais là où il faudrait chercher les problèmes d'abord, ceux-là qui ne maîtrisent pas la situation et qui font de ça leur travail, les démarcheurs. Et généralement, c'est des gens qui sont dans l'informel. On vient, on vous arnaque, après on quitte ici pour retourner au Togo. Deux ans après encore, ils reviennent. C'est ça il faudrait d'abord qu'on trouve quelqu'un de sérieux qui maîtrise la situation, que l'on peut identifier en cas de problème. Voilà. Donc, ah, ah. il faudrait que dans ce secteur, qu'on ait des gens sûrs qui peuvent gérer la situation. Mais à vous entendre, oh, les deux, oh, on a l'impression que euh, on fait porter le chapeau aux, démarcheurs. Et on sait que quand même, euh, souvent, même certains notaires sont, sont, sont, indexés pour, pour avoir, euh, soit être témoin de certaines transactions de manière complaisante. Et parce qu'on en a vu beaucoup. Est-ce que, est-ce que ces cas d'arnaques sont souvent relevés sont la cause principale euh, des démarcheurs qui ignorent, qui ignorent la, lecture. là, le notaire s'est montré imprudent. Tout à l'heure, monsieur Nakobo le disait, qu'avant de signer un acte, on vous amène un acte de cession d'une vente d'immeuble. Mais prenez le soin d'aller vérifier est-ce que ce qu'on m'a amené est réellement reconnu à la mairie en tant que tel puisque les actes de session que nous détenons n'ont aucune force de loi. Qu'est-ce que cela signifie C'est-à-dire que, l'acte de session qu'on vous donne là est quelque chose qu'on vous a donné, dire que bon, c'est provisoire. Oui. Le même acte là peut être encore falsifié au niveau de la mairie. C'est un registre qui est là-bas. On peut enlever votre nom et mettre le nom de quelqu'un d'autre. S'il y a des agents et malhonnêtes au niveau de la mairie, ils peuvent le faire. Voilà, donc ce n'est pas que les démarcheurs qui ne connaissent pas. Eh mais oui, partout il y a, il y a, y a, <laughs> Maître Nakobo, euh, si vous devez faire le mea culpa des notaires, on sait que ce n'est pas tout le monde qui est clean. Bon, euh, comme il l'a dit, les notaires peuvent se tromper aussi. Hein, c'est un homme, on peut le tromper. Mais je crois que le plus souvent, c'est il y a la faute de, si vous voulez, de ces lotisseurs privés là, n'est-ce pas parce qu'on leur donne certains, on leur donne un périmètre. Et ils augmentent. Ils augmentent et ils continuent à vendre. Voilà. Et puis d'autre part, et souvent, quand ils font le lotissement, ils ne, mettent même pas de bornes. n'est pas borné. Alors vous voyez, donc il y a toujours des problèmes. C'est ça, à problème, ça, là, le manque de bornage. Vous voyez Au lieu, au lieu d'appeler un, géomètre, n'est-ce pas, qui connaît donc tu vas, tu vas, tu vas aller faire mettre les bornes en bonne et du forme. Seulement, on, lotit et puis on laisse comme ça. on va soi-même pour faire les, les parcelles pour, euh, pour, vendre aux gens. Vous voyez hmm. C'est des autres problèmes. C'est ce qu'il vient de dire. <coughs> Euh, ah oui. les lotisseurs, oui, les lotisseurs privés. Une fois que d'autres, ils font le plan de lotissement, ils s'adressent à l'État pour avoir l'agrément. Le ministère de Le TP. Travaux Oui, il a l'accord. On lui a donné maintenant le temps d'aller faire le lotissement. Et lui, il n'a pas d'argent pour payer le géomètre, pour aller faire le lotissement. Et il s'entend avec peut-être le maire de la localité. On vient, on vous présente un plan de lotissement en bonne et due forme. On vous propose d'acheter. Vous achetez, le maire signe les actes de cession. On vous remet. Vous prenez. Le gars, il prend son argent, il ne fait pas le lotissement. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait à la place il, a bouffé l'argent. Il aura bouffé l'argent. Vous, vous voulez votre terrain. Vous, personne ne peut vous conduire, étant donné que ce n'est pas loti. Et voilà là où des fois on a des problèmes. Et maître, vous avez eu à gérer des cas, des cas pareils, comment Presque tous les notaires, hein, on a géré des, cas pareils. Alors c'est pourquoi, normalement, parce qu'avant, quand il y avait, quand l'État s'occupait de lotissement, n'est-ce pas Quand le lotissement se faisait au nom de l'État, on n'avait pas ce problème-là. On a commencé à avoir ces problèmes avec ces lotisseurs privés-là, n'est-ce pas Et puis, c'est pas tous, il y en a qui sont honnêtes quand même, n'est-ce pas mm. Mais seulement, tous les, grands problèmes qu'on a eu, c'est avec le lotissement privé, il faut dire la vérité. Voilà. Ok, nous allons venir, euh, nous allons y revenir un peu plus en détail sur comment se fait même les, les, ces les différents types de, de lotissements. Euh, nous entamons la deuxième partie de, de, cette émission qui concerne la procédure normale et sans risque pour acheter ou vendre un terrain. Alors, je commence par vous, Abdel Fattah Mahmoudou cadre à la retraite du cadastre, quelle est normalement la procédure à suivre pour acheter ou vendre une parcelle sans risque D'abord, si c'est à une mairie que vous devez vous adresser, vous partez au niveau du service domanial. On vous pose les conditions, vous achetez, ils ont leur technicien, ils vous montrent le terrain. Et ce n'est pas fini. Si toutefois vous ne voulez pas avoir de problème, Soit, oui, après, aussitôt que vous, vous ayez votre acte de cession, il faut penser à l'immatriculer, c'est-à-dire à lui faire un titre foncier. C'est la seule façon d'être en sécurité quand vous avez le titre foncier. Et euh, le titre foncier à la mairie ou au cadastre Ça se fait au, niveau du cadastre. Et cela consiste à faire l'enregistrement d'abord de l'acte de cession, qui c'est un coup, et vous présentez Combien, combien par exemple Oui, ça dépend de la valeur du terrain. Ça peut varier de oh, Ça peut varier de 40 000, 60 000, 80 000 pour l'enregistrement et timbre. Mhm. Et maintenant, il faut un plan de situation. La photocopie de votre pièce d'identité ou de votre passeport ou même de votre permis. Et vous vous présentez au niveau du cadastre et là, on vous fait le titre foncier. Le plan, hmm? oui, allez-y. Oui, il y a le plan de situation qu'il faut qui Est donné, qui, est, qui est fait où Le plan de situation, chez là où vous avez acheté, peut-être au niveau de la mairie où vous avez acheté le terrain. Dans le cas échéant, au niveau du cadastre, vous pouvez avoir le plan de, situation. Alors, ça peut prendre combien de temps Normalement, si le délai est respecté, ça ne dépasse pas deux semaines. Deux semaines. Hmm. Mais on sait que de nos jours, euh, pour avoir un titre foncier, ça, prend énormément de temps. Est-ce euh, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces, bon, Ça ne peut être que la lenteur euh, administrative. Vous savez, maintenant, l'administration n'est pas efficace. Bien, Maître Nakobo Mohamed, mhm. sur la procédure, est-ce que vous avez d'autres, d'autres ajouts procédure, lui, c'est lui qui connaît la procédure des choses de l'immatriculation, on appelle ça le titre foncier. Mhm. Moi, je ne peux que vous renseignez sur le sur l'aspect juridique, n'est-ce pas Donc, euh, comme on le disait tout à l'heure, vendeur et acheteur se présentent devant le notaire avec le titre de propriété, acte de cession ou titre foncier, n'est-ce pas Donc, le notaire fait les, vérifications euh, d'usage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mhm. Si c'est un acte de cession, il l'a dit tout à l'heure, on va à la mairie, on vérifie au niveau de la mairie si ça concorde il n'y a pas de problème. Si c'est un titre foncier, donc on va au cadastre. Là aussi, on fait la vérification. On paye même au cadastre les frais de vérification. N'est-ce pas S'il n'y a pas de problème, donc le notaire établit son acte authentique. Est-ce qu'il vous arrive de, vous, y rendre <coughs> sur le terrain pour, voir des visites euh, les biens en question Non, ça, ce n'est pas le rôle du notaire. Nous, c'est au niveau du cadastre, n'est-ce pas Si c'est un titre foncier. Il y a le, numéro qui est là-bas, sur le titre mère, parce que lui, euh, le client donne la copie du titre foncier, n'est-ce pas Et ça, si on confronte en principe telle parcelle, tel quartier, ça correspond à ce qui est là-bas. Donc si on a ça, on n'a plus de problème. On dresse l'acte authentique. On fait l'acte authentique et on le registre. On registre l'acte et en ce moment, on procède au transfert, si c'est un titre foncier. Un acte de cession, c'est la même chose, n'est-ce pas On l'enregistre et on fait le transfert au niveau de la mairie. Mais seulement, comme elle a dit, pour plus de sécurité, il faut faire un titre foncier. Parce que le titre foncier, on dit qu'il est inattaquable. Voilà, et il est imprescriptible. Si vous avez un titre foncier, même pendant 100 ans, la, la, parcelle vous, reste. Ça, c'est pour vous. On ne peut pas vous faire. L'État peut vous faire déguerpir, mais on dit moins un une, une indemnité. Juste euh, indemnité. Voilà. Euh, alors, on comprend bien que le notaire, souvent, lui, il se sert euh, des papiers qu'on lui présente euh, et, les deux parties. Oui. Est-ce que est-ce qu'il vous arrive, est-ce qu'il arrive que des, malins puissent, puissent gruger, y compris le, notaire Est-ce que il y a des cas souvent où les gens présentent des papiers qui ne sont pas les références du bien en question. Oui, mais c'est ce que je vous, je vous dis tout à l'heure là. S'il présente des, documents qui ne correspondent pas à ceux qui sont là-bas au cadastre, le notaire ne fait pas l'acte. Il n'est pas obligé de choses. Là, s'il le fait, c'est à ses et périls. Vous voyez hmm. C'est pas normal. C'est lui qui supporte le pot, hein. <coughs> le pot cassé. Vous Il doit faire ces vérifications-là. Il faut que ça corresponde complètement, entièrement, à ceux qui sont vendus et ceux qui se trouvent là-bas au niveau du cadastre. Quels sont, à votre avis, les principaux acteurs qui sont censés intervenir euh, euh, et à quel niveau dans, ces genres de, 30 transactions Comme on l'a dit, tout à l'heure, c'est les agents immobiliers. Mais les, agents immobiliers, au Niger, en tout cas, eh, ils ne sont pas organisés, n'est-ce pas Tout le monde vient, si un agent immobilier vient chez vous, il voit un immeuble, il va vous dire qu'ils sont cinq ou, choses, ou un plus, alors que c'est avec lui seulement que le vendeur est venu ou l'acheteur. Mais après, maintenant, pour avoir la commission, ils disent non, ils sont nombreux. Et vous n'avez pas le, le, le moyen de contrôler. Donc c'est ça, c'est un problème que l'État vraiment doit, doit, régler. La multitude des, agents des immobiliers. Oui, oui. Il faut au moins qu'il payent la patente. Il faut qu'ils aient au moins une autorisation. Dans d'autres pays, c'est comme ça. Mais quand les gens, quand on avait parlé tout à l'heure, Abou ah. Fattah Mahmoud avait évoqué le, fait que beaucoup d'acteurs euh, exercent dans l'informel. Oui, mais dépend, ça dépend, c'est l'État qui doit réglementer ça, n'est-ce pas Il leur faut au moins une carte professionnelle pour exercer, n'est-ce pas Mais tout le monde vient comme ça, dit que les agents tout le monde. Alors, ça c'est un problème. Alors, euh, euh, comment expliquer nous Abdel Fattah Mahmoud, comment se fait le lotissement et quels sont les, différents types de lotissements les lotissements avant, c'était l'État qui gérait les lotissements selon les besoins de la population. Vous me suivez Oui. Et avant, on dit que la terre appartient à l'État. Donc, à partir euh, du vent démocratique, le terrain maintenant est revenu à la population. Donc, euh, un privé qui a son terrain se permettre de le lotir et le vendre. De ce fait, il s'adresse à l'autorité qui est le ministère des TP pour présenter un plan de lotissement dans lequel il doit présenter les, voiries, c'est-à-dire les écoles, tout ce qu'il faut pour le bien-être de la population. une autorisation lui est délivrée. Hmm, on lui donne, on lui accorde un décret ou bien pour aller faire son lotissement. Mais malheureusement, les gens, ils sont ce qu'ils sont. Une fois qu'ils quittent le, plan primitif sur lequel tout est, sur lequel lui a été accordé. oui oui, il lui a donné l'autorisation, sur le terrain, il change les données. Voilà où les gens, ils sont encore malhonnêtes. Vous ah. voyez, quand vous allez comparer les lotissements autrefois que l'État a eu à gérer lui-même. Mhm. Et les lotissements que les privés ont fait, il y a une très grande différence. C'est quoi la différence D'abord, l'espacement des rues et les écoles qu'on a prévues, les marchés, en un mot, les infrastructures utilitaires. Vous voulez dire que dans les lotissements, dans, les lotissements privés, on a moins de, de rues. Voilà. Euh, Puisque là-bas, la, personne, ne voit que le gain. Donc, il n'a rien à voir avec plus le... de parcelles. Oui, oui. avoir plus de parcelles, il n'a rien à voir avec le bien-être des gens. Et c'est ça le danger. Ça continue Ça ne peut que continuer. Maître euh, Maman Nakobo, le lotissement privé, vous, vous l'avez euh, toujours ah évoqué, que c'est l'un des, ah, ah. Euh, des principaux problèmes qui minent le secteur. Ça, fait partie des choses, des, problèmes quand même, de l'immobilier au Niger. Parce que comme elle l'a dit, quand l'État faisait lui seul, n'est-ce pas, le lotissement, il n'y avait pas de problème. Pas Mais avant, eh, on, a, on, a, connu le lotissement privé à un certain moment, à un certain temps. Mais seulement le lotissement, même si, si la parcelle vous appartient, vous vous adressez, n'est-ce pas, à l'autorité. C'est l'autorité qui fait ça, à son nom, et ensuite on vous l'attribue. Mais ce n'est pas directement à votre nom. Hmm. Or maintenant, ça sort directement au nom des choses, des lotisseurs. Ce n'est pas normal. Euh, cela nous amène à entamer la dernière, la troisième et dernière partie de cette émission concernant les moyens de prévention et de gestion des éventuels litiges. Alors, maître, que faire pour être à l'abri des arnaques et escroqueries de tout genre Vous l'avez dit, vous allez <laughs> le notaire, un, un acteur incontournable. Ah oui, si vous voulez, ça c'est une affaire de tout le monde, hein. il n'y a pas que le notaire. Hein. L'acheteur, le vendeur, ils doivent quand même, euh, il faut qu'ils soient, si vous voulez, des gens honnêtes. Il faut qu'ils soient honnêtes. Sinon, c'est n'est pas, pas facile. Et le notaire, surtout la responsabilité du notaire, il a une grande responsabilité. Donc il faut que nous, nous soyons vigilants, ça c'est à nous, les notaires, n'est-ce pas Et même souvent, on rencontre des problèmes, mais au moins au cadastre là-bas, ils trouvent la solution pour arranger ça, n'est-ce pas Mais sinon, c'est pas facile. Ah Ça, c'est une affaire de tout le monde. Hein. Ah Abdel Fattah Mahmoudou, en achetant un terrain, quel est le premier réflexe, selon vous, de prudence à adopter par l'intéressé Bon, ce que je vais conseiller à quelqu'un qui veut acheter un terrain, qu'il évite seul à aller acheter le terrain, qu'il se fait assister d'un géomètre. C'est pas coûteux pour quelqu'un qui n'a déjà pas assez de moyens Ah, mais d'abord, ce qu'il va investir aussi, il faudrait qu'il ait peur qu'il ne soit arnaqué. Hein? Vouloir, ses pouvoirs. Ah, il faut savoir, je voudrais avoir une parcelle à Niamey. Et je voudrais être en sécurité. Mais je suis obligé de respecter tout, euh, euh, tout ce qu'il faut pour que je sois en sécurité. Je voudrais acheter une parcelle à Niamey. Suppose que le jour où je vais, euh, je vais avoir la parcelle, que je sois assisté d'un technicien qui peut m'informer sur cette parcelle-là Est-ce qu'en l'achetant, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que la parcelle qu'on me présente n'a aucun problème avant que je l'achète Et quand je l'aurai achetée, comment je vais faire pour faire le transfert à mon nom Et vice-versa. Donc c'est faire assister par un technicien Par un technicien, un, un, géomètre. Qui, qu'on peut trouver au on peut trouver facilement non seulement à la mairie peut-être, et que l'on peut trouver au niveau du cadastre. D'accord. Alors, euh, euh, Maître Nakobo, Maman, notaire. Euh, je ne peux pas dire plus que Oui, je, voudrais savoir quelles sont les principales voies de recours en cas d'arnaque quand quelqu'un se retrouve dans une situation où il risque de perdre son bien parce qu'on lui a joué un tour quelles sont les voies de recours pour, cette personne Les voies de recours, euh, donc c'est la conciliation d'abord. Si le gars, l'arnaqueur est d'accord, nest pour établir le tort qu'il a commis à l'autre, ça va. Ils s'entendent entre eux et puis il n'y a plus de problème. Et le, cas cas échéant, il faut s'adresser aux tribunaux. On est obligé, n'est-ce pas On vous a privé de votre argent. Hein? Alors il faut que vous le réclamez, il faut qu'on vous le rende, n'est-ce pas donc, euh, vous n'avez d'autre choix que soit la conciliation amiable, n'est-ce pas À l'amiable. À l'amiable, oui, oui. C'est un notaire ou un avocat ou même un dossier. Et, à défaut hein, À défaut, vous adressez au tribunal. Eh oui. au tribunal de grande instance ou a... Oui, de grande instance. C'est ce que c'est une affaire qui concerne un immeuble. C'est un, truc immatriculé, donc il faut appliquer la loi. Et quand ce n'est pas, immatriculé hein? Quand c'est juste un terrain ah, C'est un, terrain coutumier. Oui. Bon, euh, là aussi, ça dépend du, euh, comment on appelle ça, du prix. Là, c'est du prix. Parce qu'au-delà d'un certain taux, le juge de paix n'est pas compétent. Il faut aller voir le tribunal de grande instance. Qu'est-ce que l'État doit faire, selon vous, pour mieux organiser ce secteur vital Réforme de certains services, vous pensez, organes de contrôle des normes et procédures Bon, pour le cas du Niger, il y a un problème. Moi, ce que je tiens toujours à évoquer, c'est qu'au Niger, il y a une seule conservation. De Ninjimi, à Terra, de Gaïa à Si vous voulez faire un titre foncier, il faut venir à Niamey. N'est-ce pas À un certain moment, on a pensé de, créer des, des, des, choses. Des, euh, services décentralisés. Voilà, un peu partout comme dans certains pays de l'Afrique, par exemple au Cameroun, il y a beaucoup de conservateurs, n'est-ce pas Le Niger étant, entendu, ça, si vous voulez, pas la population, mais la superficie. Vous voyez, si maintenant quelqu'un qui est un va faire un titre fossé, il faut qu'il vienne à Niamey. Donc pour vous, c'est important. c'est important, quand même que l'État puisse. Voilà, que l'État puisse décongestionner peut-être on peut avoir euh, un, second cadastre à Zander, un autre peut-être à Agadez, ainsi de suite, quoi, dans les régions. Moi, je pense qu'il en a, a été question à un certain moment. on n'en parle plus maintenant. Et pour ce qui est des acteurs immobiliers dont vous avez parlé tout à l'heure, qu'est-ce que l'État peut faire dans ce sens Mais c'est réglementé, comme je vous l'ai dit, il faut que ça soit réglementé. <laughs> Euh, Abdel Fattah Mahmoudou, nous tirons vers euh, la fin de cette émission tout à l'heure, Nakobo Mohamed euh, évoquait le fait qu'il n'y a qu'un seul conservateur euh, dans tout le Niger, euh, donc ici à Niamey. En tant qu'ancien cadre du cadastre, est-ce que vous pensez que ce serait possible on ne cessera jamais d'interpeller l'État, <laughs> puisque c'est sa responsabilité. L'État est là pour créer un cadre idéal quoi, à la population. L'État, selon ses moyens, doit voir ce qu'il peut faire pour euh, alléger la souffrance. Mais est-ce que vous, vous pensez que euh, euh, une, action de ce genre ne comporte-t-elle pas de risque pour l'État ou pas du tout, tout L'État doit, tout doit être étudié d'abord avant qu'on exécute. Même ce qui est en train de se faire là, c'est aussi un effort. Il faudrait qu'on place ce qu'il faut à la place qu'il faut. Le problème, c'est ça. Ah ah, il faudrait qu'on élimine le sentiment et le laxisme dans ce que nous faisons. Sinon, on peut réussir. Si les autres ont réussi, pourquoi pas nous Voilà. Tout le, problème maintenant, c'est la volonté. La volonté de, bien faire. La volonté politique. Nous sommes au terme du forum de ce soir. Nous retenons quand même que le secteur euh, euh continue et continuera d'avoir de poser des problèmes aux uns et aux autres compte tenu de la multitude des acteurs qui exercent dans le domaine et de l'informel, du caractère informel de beaucoup d'agents dans ce domaine. Nous retenons également le, un seul conservateur pour tout le Niger et qu'il va falloir l'État doit avoir un regard, voir dans quelle mesure décongestionner, décentraliser euh, un tel conservateur, notamment le cadastre qui est ici, basé ici à Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous étions en compagnie de Maître, Maître Mahman Nakobo, notaire, et d'Abdel Fattah Mahmoudou, cadre à la retraite du cadastre. Bonsoir.